auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le forum de Studio Kalangou diffusé via 46 radios et 6 télévisions partenaires avec le Studio Kalangou. Le forum d'aujourd'hui porte sur les causes et conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département de Dosso. La région de Dosso, zone à vocation agro-pastorale par excellence, n'est pas à l'abri des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ayant occasionné d'importantes pertes en vies humaines et en dégâts matériels. Les deux conflits surgissent à des moments bien donnés de l'année, notamment en début de saison agricole, en milieu de saison et en fin de saison. Quelles sont les causes et conséquences des conflits entre agriculteurs et éleveurs Quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir et gérer efficacement ces conflits Pour en parler, j'ai invité le représentant des éleveurs, M. Moussa Maudé, le représentant des agriculteurs, M. Hima, le directeur départemental de l'élevage de Dosso, M. Cheikh Mouman. Au micro, je suis Ramt Issawenki. Monsieur Cheibou vous êtes le directeur départemental de l'élevage. Vous pouvez nous dire quelle place occupe l'élevage euh, et l'agriculture ici au Niger en général et à Dosso en particulier ici, dans le département de d'Osso, l'agriculture et l'élevage occupent euh, une place très importante. Ces deux activités sont au devant de presque toutes les activités du, département parce que c'est le quotidien de la population du département de Dosso et ils sont au devant de ce qui se passe dans le département. Oui, et M. Munkela, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur euh, ce que vient de dire M. Euh, Cheibou Mamman Quoi, spécifiquement, nous, on va vous parler de la région de Dosso que nous maîtrisons bien, mais on sait que même à l'échelle nationale, ce qu'il a dit, c'est reconnu dans toute la documentation que vraiment l'agriculture et l'élevage, c'est vraiment les mamelles de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, on a, comme on le dit, plus de 90% de la population ils sont actifs sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, le bien-être de la population nigérienne, il dépend de ces activités-là. Mais pour revenir à la région de Dosso, aujourd'hui, une étude récente qui n'a même pas fait 5 ans a démontré que aujourd'hui, rien que la région de Dosso, on a plus d'un million sept cents hectares qu'on peut mettre en valeur sur le secteur rural, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture ou bien d'autres activités. Donc, et on le dit toujours, la région de Dosso, avec un engagement concret et des investissements, Dosso pouvait être le grenier du Niger. Parce qu'on pourrait vraiment nourrir presque ou bien prendre en charge tout ce qu'il y a comme besoin alimentaire au niveau de ce pays-là. Donc, euh, c'est pour vous dire que, franchement, en termes d'importance, c'est en toute modestie qu'on peut placer ce secteur-là au devant de tout ce qui s'est fait. Et M. Moussa Maudé, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de nous dire Monkaïla euh, L'agriculture et l'élevage aujourd'hui constituent, en tout cas, les deux piliers de, l'économie. Euh, parlant de l'élevage, les, chiffres euh, nous montrent que euh, c'est le deuxième produit d'exportation au Niger après les ressources, euh, en tout cas minières, surtout l'uranium. Donc, ce qui place en tout cas l'élevage <laughs> au cœur du, développement économique au Niger. Et pour revenir particulièrement à la région de Dosso, je n'ai pas les chiffres, mais je sais que Dosso, bien que zone agro-pastorale, Dosso doit être deuxième, en, tout cas entre troisième et quatrième en termes de nombre de septelles. En tout cas, très loin de la région d'Agadez, qui est même la région pastorale. Donc, pour dire que vraiment, en termes de, ressources, la région de Dosso recèle de beaucoup, en tout cas, de ressources en termes de développement de, l'élevage. Et pour être, euh, euh l'a dit, en termes de satisfaction des besoins, donc elle occupe presque 90% de, les populations. Et aujourd'hui, l'exemple le plus concret, que qu'on ne soit pas spécialiste du domaine, aujourd'hui, la contribution de l'élevage au, au, niveau des collectivités, elle est très significative. On n'a pas besoin de donner des chiffres. Aujourd'hui, il suffit de regarder le développement des communes. Toutes les communes, un responsable de la région a l'habitude de dire que toutes les communes qui ont la tête hors de l'eau, c'est qu'ils ont des marchés à bétail. Donc, ce qui montre véritablement l'importance euh, de la place de l'élevage euh, dans, la région. Monsieur Cheibou quelles sont les, causes des conflits entre agriculteurs et éleveurs ah, La cause euh, principale, c'est le non-respect de, la réglementation, il faut le dire. Ça, c'est la cause principale de ce qui arrive. Parce que si la réglementation est respectée, si tout le monde a connaissance de cette réglementation-là, il n'y aura pas certains conflits. Donc c'est le, le, manque de respect de cette réglementation qui fait en sorte qu'il y a des agriculteurs qui occupent les couloirs de passage. C'est même, euh, c'est aussi ce manque de respect de réglementation qui fait en sorte qu'il y a des éleveurs qui pâturent la nuit. Vous voyez, ça, c'est deux causes qui sont là, mais qui sont chapeautées par le non-respect de ce qui est et eh, Monsieur Lahima, vous êtes le représentant des agriculteurs. Vous pouvez nous éclairer un peu sur le problème que rencontrent les agriculteurs Vraiment, la liste, euh, elle est longue. Aujourd'hui, nos agriculteurs, ils sont beaucoup plus pauvres que le, le Parce qu'aujourd'hui, on estime que la région, au niveau de la région de Dosso, on est en dessous du seuil de pauvreté nationale. Et aujourd'hui, l'agriculture, vraiment, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'investissement. Malheureusement, ces pratiquants n'ont pas les moyens. D'abord, les sols sont très pauvres. Après, il n'y a aucune capacité de pouvoir amender ces sols-là. L'accès aux intrants, ce n'est pas réservé. Même cette année, on a vu, l'engrais était dans les magasins de la Caïman alors que le besoin de ces intrants-là devait être disponible peut-être il y a deux ou trois mois de cela. Et même quand c'est disponible, quelqu'un qui n'a pas les moyens aujourd'hui ne peut pas accéder à un sac d'engrais qui peut faire 18 000, 19 000 sur le marché. Euh, en dehors de ça aussi, il y a un problème de technicité aussi qui se pose. Malgré les formations qu'on a eu à mener à l'endroit de ces agriculteurs-là pour renforcer leur capacité. Parfois, le message passe, parfois, le message ne passe pas. Donc, il y a un problème de capacité et de maîtrise aussi des techniques. Et aussi, après ça, on a un problème de commercialisation aussi qui se pose. Les agriculteurs n'arrivent pas à rentabiliser leurs efforts sur le marché. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la TIA 2000, à pareil moment, ça fait pas rien que hier, je l'ai acheté à 250 francs. La TIA, ici à Tanegui. Mais pour vous dire que avec 250 francs, on ne peut pas produire une TIA 2000. Donc vous voyez, donc quand je suis dans une activité qui n'est pas rentable, ça veut dire que la durabilité, ou bien même la satisfaction de mes besoins, ça c'est vraiment aléatoire. Et aujourd'hui, le problème de faible rendement aussi est là. Tu travailles 5, 6 mois, 7 mois, tu ne peux pas nourrir ta famille pendant 4 mois. D'autres se limitent même à 2 mois de sécurité alimentaire par rapport à leur faible production. Donc tous ces problèmes résumés disent que vraiment les défis reste majeur sur ce secteur-là. Il faut que on dépasse, et, pas les slogans ou bien les propagandes dans ce secteur-là, et en s'investissant concrètement pour résoudre beaucoup de problèmes par rapport à ce secteur. Revenons à vous, Monsieur Moussa Maudé. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les éleveurs Ils l'ont dit dans, leurs propos. Il y a ces questions de non-respect des statuts des, ressources pastorales. Et aujourd'hui, ceci s'explique par aujourd'hui le front agricole qui est très offensif, c'est-à-dire euh, les champs. <laughs> les champs grandissent au rythme de l'augmentation de la population. Donc c'est vraiment une contrainte majeure qui est à la fois, euh, en tout cas, <laughs> géosociologique, comme, comme, comme, comme on le dit. Et c'est ça, effectivement, qui se traduit par, euh, en tout cas, l'occupation des espaces qui sont euh, réglementairement réservés à l'élevage, tels que les aires de pâturage, tels que les couloirs, tels que les, abords des, des, points d'eau, etc., etc. Et même, en tout cas, les, compétitions autour des, des, verges du fleuve, etc. Donc, euh, quand vous regardez partout, en tout cas où euh, les espaces sont favorables à l'élevage, ces espaces sont en compétition, donc entre, entre les différents euh, exploitants. Donc ça, c'est une difficulté. Et aujourd'hui, quand on revient dans la région de Dosso, euh, il y a un contexte peut-être même sous-régional qui empathise aussi, qui fait empathir aussi l'élevage, c'est cette question de sécurité. Donc, traditionnellement, euh, les zones euh, de repli, telles que la partie nord, donc où les éleveurs se replient pendant euh, un bon moment de, l'hivernage. Aujourd'hui, tout le monde sait que cette, cette zone, elle est, infréquentable. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des concentrations et restriction de la mobilité des, des, animaux et ça entraîne des concentrations qui, en droit, sont susceptibles d'entraîner des conflits parce que quand les animaux euh, sont dans des zones où normalement euh, ils doivent évacuer, ça, ça, va créer des problèmes. Toujours parlant de cette mobilité, euh, aujourd'hui on est dans un contexte malheureusement où nos pays d'accueil, tels que le Bénin et le Togo, ont pris des mesures restrictives qui empêche en tout cas nos éleveurs d'y accéder de façon très flexible. Vous pouvez un peu nous expliquer ces mesures-là C'est des mesures euh, restrictives. En tout cas, il y a même des arrêtés qui empêchent la transhumance sur leur territoire. Il y a aussi d'autres euh, mesures qui les imposent des taxes. Oh, par exemple, il y a euh, un acte sur lequel, pour chaque tête, de, quand il s'agit de, de bovins, chaque tête, il faut payer et 5 000 francs de frais de séjour dans une commune. Donc imaginez si l'éleveur a 500 têtes, euh, c'est que si on multiplie 5 000 par 500, c'est que ça va euh, revenir en termes de coût. Donc, euh, donc il y a toutes ces pratiques-là, en tout cas, qui limitent, qui limite en tout cas la, mobilité, qui est, est une mesure d'adaptation, en tout cas non seulement qui sécurise, parce que quand les animaux arrivent à évacuer les zones euh, agricoles pendant une bonne période, ça peut en tout cas contribuer à la bonne cohabitation. Mais quand la mobilité est bloquée, donc c'est sûr qu'il y aura des, zones de, forte concentration et ça peut, ça peut entraîner des, des conflits entre les différents, différents exploitants. Et nous sommes en ce moment à une période très cruciale où les conflits peuvent surgir de façon spontanée. Alors, quelles sont les mesures de prévention en vigueur maintenant, M. Moussa Maudi Les mesures de prévention, c'est vraiment la sensibilisation. C'est-à-dire, euh, euh, nous, euh, on a un dispositif de, de, de veille, donc on appelle les sentinelles. C'est-à-dire, il y a toujours les zones les plus sensibles où on a placé des éléments qui recueillent chaque fois. Tout à l'heure, j'ai parlé de la concentration. Donc, chaque fois qu'il y a des zones de concentration sont identifiées, il y a des, sentinelles qui y veillent pour voir c'est quoi l'évolution et s'il y a des risques de, en tout cas de conflit. Donc, et euh, en tout cas, ces zones sont susceptibles de, en tout cas de, sensibilisation. Donc euh, la disposition, c'est vraiment la sensibilisation, c'est amener et en tout cas tous les acteurs à respecter, comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, la question de la, de la réglementation. Et donc en plus de ça, vous le savez, et dans ce système de prévention, le, la loi a prévu un mécanisme. Le mécanisme, c'est quoi C'est la fermeture et l'ouverture des champs. Donc, euh, à, l'approche de l'hivernage, il y a des mesures qui sont prises pour que, en tout cas, les zones, euh, les zones agricoles soit évacué par, par les animaux Donc il y a des décrets, c'est un processus, peut-être qu'on peut un peu revenir là-dessus, mais c'est un processus qui impose en tout cas un système de fermeture des champs. Et maintenant, au retour, donc après les récoltes, il y a un système aussi d'ouverture des champs. Donc ça, c'est vraiment ce que la loi a prévu de façon réglementaire. Il y a des moments où les champs ne sont pas accessibles, il y a des moments où les champs doivent être aussi évacués pour, pour, euh, au profit des animaux. Et d'ailleurs, d'ailleurs, en tout cas, c'est un élément qui nous occupe beaucoup. Parce que trop souvent, quand le dégât est commis la nuit, on ne connaît pas c'est qui l'auteur. Et trop souvent, ça, se manifeste en tout cas par des, désaccords accords entre les autochtones eux-mêmes. L'agriculteur qui a suivi les, dégâts peut penser que c'est l'autochtone qui est à côté de lui. Donc ça, il faut accentuer la sensibilisation pour qu'effectivement, dans le même système-là, on a prévu ce qu'on appelle le tutorat. C'est-à-dire chaque transhumant qui vient, il est obligé de s'adresser à un tuteur, à un autre éleveur autochtone qui devient son tuteur et qui lui dit voilà les conditions de séjour ou bien s'il doit continuer, voilà. Donc en tout cas, il faut qu'il s'annonce. Si que à côté de, en tout cas là où il va, il va camper, s'il y a un dégât, qu'on sache que c'est lui ou bien c'est son tuteur Donc on est dans ce système, en tout cas pour euh, un peu approcher les gens, à tout donner l'information. Oui, je reviens vers vous, M. Monkele Hima. Selon vous, quelles sont les mesures de prévention en vigueur euh, qu'on doit prendre actuellement Nous, au niveau de la Chambre régionale d'agriculture aussi, on n'a pas, euh, on n'est pas une structure euh, qui peut gérer, qui a vocation à gérer les conflits, mais on travaille aussi seulement sur la prévention pour euh, prévenir ces conflits, c'est aussi les questions de sensibilisation. Nous, on utilise euh, les radios communautaires et puis certaines radios privées, dont on a signé des conventions annuelles. Donc, nos agents qui sont sur le terrain essayent d'animer des thématiques liées à ces conflits entre agriculteurs et élevage pour pouvoir réduire de manière significative euh, ces conflits-là. Mais en termes, ce qui peut être préconisé, franchement, le directeur l'a dit, il y a une réglementation qui est là, il faut que tout le monde s'y aligne. Tant que ce n'est pas ça, les conflits ne vont jamais finir. Tout ce qui est réglementation, ça doit être valable pour tout le monde. Que tu sois agriculteur ou bien éleveur, la loi te fixe des limites. Et ces, limites-là ne doivent pas être franchies. C'est comme ça. Donc si on est dans cette logique-là, je pense qu'on ne dira pas qu'il n'y aura pas de conflit. Il y aura toujours des gens qui vont oser. Mais quand même, il y a une force dissuasive qui est là, qui peut amener ces gens-là à ne pas recommencer ou bien à décourager celui qui veut suivre la même voie. Voilà. Et Monsieur Chaibou Mamman, qu'est-ce qui retient votre attention de ces interventions que vous venez d'écouter Ce qui retient mon attention ici, euh, en ce qui concerne la prévention, c'est vrai, les, mes deux précédents, ils ont brossé un peu la situation. Mais il faut aussi voir euh, les efforts qui ont été faits depuis des, années par euh, les gouvernements qui se sont succédés donc on peut euh, revenir faire un peu l'historique de, cette prévention des conflits parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à, tout le monde. on est en perpétuelle recherche de paix entre acteurs du développement rural. Donc le, développement rural ne peut pas se faire sans cette paix-là et cette quiétude sociale. Donc c'est pour cela que les gens ont réfléchi euh, des années durant, on a mis des systèmes en place. Et tous ces systèmes-là se résument au niveau de la réglementation. Mais on peut d'ores et déjà parler de ce qui a été fait, comme le fait d'enlever des couloirs de passage pour les animaux. Vous voyez, ça, c'est pour prévenir ce conflit-là, pour que les animaux aient euh, des endroits où ils vont passer le fait de chercher au niveau des, départements et des communes des endroits où les animaux vont se reposer ou bien des endroits de package, les aires de pâturage. Donc, tous ces aspects-là que les différents gouvernements se sont attelés à faire, donc c'est pour prévenir les conflits. Donc, chemin faisant, on a mis une commission, qui est la commission foncière, qui a des démembrements du niveau national jusqu'au niveau village. Donc, ces commissions foncières-là, dans leurs prérogatives, ont aussi euh, le devoir de prévenir. Et cette prévention passe, tous les deux ils l'ont dit, par la sensibilisation. On prend aujourd'hui des textes. Donc, s'il y a les textes, les lois et règlements, il faut les faire comprendre aux différents acteurs. Et c'est par la sensibilisation qu'on peut sortir, on peut dire que voilà ce que la loi a prévu dans tel ou tel domaine. Voici ce que la loi dit si tu fais telle ou telle chose. Donc vous voyez, de un, on est parti, on a, fait, on a balisé les couloirs de passage, on a, fait, on a eu des aires de, pâturage, on a eu des, des endroits de package et de repos. Donc, et on a amené les les agriculteurs à comprendre que la cohabitation, c'est ça l'idéal. Et avant même ceci, il y a le système, si on, on va un peu euh, dans le temps, les, le système de contrat entre agriculteurs et éleveurs, donc où l'éleveur va venir passer le nombre de, euh, un certain nombre de temps dans le champ de, de l'agriculteur pour pouvoir euh, bénéficier des résidus de culture et par là euh, amener le fumier au niveau du, du, champ. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là concourent à la prévention des conflits. Tous ces aspects concourent à la prévention des conflits. Et donc, comme je l'ai dit, euh, aussi Moussa a parlé de l'ouverture et de la fermeture de champs. Donc, c'est vraiment un aspect aussi de, de gestion parce que ça, au niveau de cette fermeture-là et de cette, ces ouvertures, c'est même, on a même localisé ça. Parce que c'est au niveau de la région que le gouverneur va prendre un arrêté pour dire qu'à partir de telle date-là, les champs sont fermés. Donc, dès qu'on dit que les champs sont fermés, les associations des éleveurs sont là pour faire le relais. Donc, ils vont sensibiliser ces éleveurs-là qu'à partir de cette date-là, Personne ne doit circuler entre tel et tel champ. Et là, vous voyez l'importance de l'aspect de, de, sensibilisation. À un certain moment, le gouverneur dit qu'à partir de cette date-là, les champs sont ouverts. Là, il y a euh, du côté des agriculteurs des gens qui vont faire le relais pour informer vraiment tous ceux qui ont quelque chose au niveau de leur champ de pouvoir les évacuer parce qu'à partir de telle date, c'est libre accès aux éleveurs. Donc, on, on assoit un système pour la durabilité de, de la cohabitation. Ben, monsieur Cheikh Maman, si par exemple il y a un litige entre euh, agriculteurs et éleveurs, quelle est la procédure à suivre par les deux parties pour euh, entrer dans leurs droits C'est une très bonne question aussi. Il faudra que, c'est vrai, on fait tout pour prévenir, mais euh, n'empêche, il y a de temps en temps certains conflits qui arrivent et il faut savoir les gérer. Là, c'est très simple parce que si l'agriculteur à qui on a fait le dégât, donc lui, c'est là où on, attire l'attention, il ne doit pas se faire justice. Je parlais tout à l'heure de commissions foncières. Donc au niveau du village, il y a la COFOP, qui est la commission foncière de base, donc qui est là pour ces aspects. Et cette commission foncière de base là, euh, c'est c'est autour du chef du village. C'est le chef du village qui est le président de cette commission foncière de base. Donc c'est l'agriculteur qui a eu euh, là où on a fait le dégât, donc doit saisir cette commission foncière de base. Donc avant de saisir cette commission de base, ils vont essayer entre eux, entre agriculteurs et éleveurs, de résoudre ça à l'amiable. L'éleveur, tu m'as fait, voici, tes animaux sont rentrés dans mon champ, on a fait tel dégât. Tu es d'accord que tu m'as fait euh, du tort Ils sont d'accord, maintenant on s'arrange entre nous. Ça, c'est un arrangement. À partir de là, ni vu ni connu, les deux parties ne se sont pas rentrées dedans, donc ils ont cherché à régler ça à l'amiable. Si les deux parties ne se sont pas entendues et que euh, l'éleveur dit que a ah, non, lui, n'a pas fait de dégâts, ou bien que l'agriculteur dit que les dégâts là c'est partout, là on peut aller voir le chef de village. Le chef de village, lui, il va mettre en place une commission paritaire. Donc cette commission paritaire là va regrouper autant d'agriculteurs que d'éleveurs. Donc les deux parties doivent euh, représenter euh, à part égale. Donc là autour, on essaie aussi de faire la conciliation parce que pourquoi on suit tous ces processus-là, c'est à la recherche, comme je l'ai dit, de solutions à l'amiable. Donc, on fait la conciliation au niveau du chef de village qui est le, président de, de la COFOB. Donc, on essaie de faire la conciliation. À ce niveau, le chef de village peut demander l'expertise des services techniques. En faisant quoi Surtout au niveau des de, des agents de l'agriculture. Donc, ils vont aller voir, mesurer le dégât, l'ampleur du dégât, qu'est-ce qui a été réellement fait à temps normal, qu'est-ce que l'agriculteur peut avoir au niveau de, de cela. Donc, avec cette procédure-là, ils vont conseiller parce que ils vont, c'est juste un conseil, ils vont donner leur expertise pour dire au, au président de la commission foncière de base là que voilà, en temps normal, voilà le rendement qui devrait être euh, issu de ce, de champ-là. Et voilà combien ça doit coûter s'il y a même un amendement. Donc, là, s'il y a conciliation, les deux parties, c'est bon. S'il n'y a pas conciliation, on fait un PV de non-conciliation. On les renvoie au niveau communal. On va demander la même expertise. Et là-bas aussi, on essaie de faire la conciliation. Si la conciliation marche, c'est déjà bien. Si la conciliation ne marche pas, on fait aussi un PV de non-conciliation au niveau de la commune. Donc là, au niveau de la commune, c'est la commission foncière communale dont le président est le maire. S'il n'y a pas de conciliation à ce niveau, on remonte au niveau départemental au niveau départemental et à la commission foncière euh, départementale dont le, euh, le préfet et le président. Là aussi, c'est toujours la conciliation qu'on cherche. On cherche la conciliation entre acteurs. Si on arrive à faire cette conciliation-là, c'est bon. Si on n'arrive pas à faire ça, là, on, on essaie de trimballer tout. On fait un PV aussi. À chaque étape, il faut faire un PV. Donc, s'il y a eu conciliation, on fait un PV de conciliation. Et ça s'arrête là. S'il n'y a pas eu de conciliation, on fait un PV de non-conciliation. Et on envoie à l'échelle supérieure. Donc, au niveau de, du département, s'il n'y a pas de, de, conciliation, le PV de non-conciliation, là, maintenant, sera transmis à la justice. Là, c'est au niveau des, du tribunal. Et même quand les deux parties vont partir voir le juge, le juge va essayer de faire la conciliation. Si les deux parties jugent nécessaire qu'il faut juger, là, on va aller au tribunal. Le, juge peut faire appel à tous pour voir, avoir ses preuves et comment il va juger l'affaire. Et de là, c'est fini quand le juge dit que voilà ce qui s'est passé, voilà, on amende qui et qui, qui va prendre quoi. Là, c'est terminé, il n'y aura plus un autre processus. Oui. Ben, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Moussa Maudé par rapport à ce que vient de dire euh, euh, M. Cheibou C'est vraiment la question du respect des, textes. Donc, comme il l'a dit, les procédures de gestion de conflits, quand ça arrive, les procédures sont claires. Maintenant, la difficulté qui se pose, c'est vraiment par rapport à, en tout cas, à l'intervention de certains acteurs ou bien à l'interprétation. Et ce qui est souhaitable, c'est que vraiment que quand le conflit arrive et que les deux acteurs arrivent à procéder à un règlement à l'amiable. Et voilà pourquoi on dit qu'une des pistes, vraiment pour, pour euh, en tout cas éviter ces conflits, c'est d'accentuer vraiment sur cette question de sensibilisation. Parce que trop souvent, on remarque un certain déphasage. J'ai l'habitude de le dire. Par exemple, l'implication des forces de l'ordre. Si vous avez aujourd'hui, en ce temps qui court, les forces de sécurité sont partout à en patrouille. Donc la plupart, souvent, on constate que quand il y a des gars, au lieu d'aller dans le processus traditionnel, recourir vers ce ont la loi a indiqué pour la conciliation, les chefs de village comme les chefs de secteur, souvent, il une plainte est déposée au niveau des postes de gendarmerie ou bien de la patrouille qui est là, qui, dans le processus, véritablement, ont une, une autre mission que celle de concilier ou bien de, de juger. Leur intervention leur présence, c'est vraiment pour. En tout cas, c'est quand il y a peut-être ce que dans euh, leur langage, ils appellent les infractions pénales, mhm. tant qu'il y a des coups ou blessures, par exemple, mhm. ou bien quand, en tout cas, peut-être qu'il y a une situation qui peut prêter à affrontement. Mhm. En ce moment, on recourt à leur présence, qui, est vraiment louable en ce moment. Mais qu'on fasse gérer la question des dégâts au niveau des, des forces de l'ordre, ça, c'est vraiment, ce n'est pas, c'est contraire à la loi. Et un autre aspect, j'ai dit, il faut privilégier aussi le dialogue. Parce que c'est le dialogue qui nous amène, en tout cas, à prendre une certaine sérénité et à voir quelle est la procédure à suivre. Donc, euh, ce qu'on constate, certaines victimes eux-mêmes songent à faire leur propre règlement. Quand c'est, euh, on peut par exemple trimballer tout le troupeau pour l'amener au niveau du chef de village où les textes sont clairs dans, chaque commune, il doit avoir euh, les, les fourrières. C'est une fourrière par commune. On dit euh, au-delà, on peut en tout cas avoir une annexe qui peut se situer entre 20 à 25 km de là. Donc vous voyez, mais aujourd'hui, les gens en tout cas esquissent cet aspect-là. Et vous allez voir au niveau de, chaque village, il y a cette institution-là. Or que l'institution, la, la, la, fourrière, c'est une institution qui est gérée par par, par, euh, par, la, par la commune. Donc, il y a, dans beaucoup de villages, on a ces fourrières-là qui sont illicites, qui sont contraires à la loi. J'ai dit, je n'appelle vraiment à la compréhension des uns et des autres, à privilégier le dialogue, et parce que la question n'est pas de, de trembler tout le troupeau pour l'amener, mais peut-être que, comme il l'a dit, au niveau de chaque chef, il y a une commission paritaire, qui est composée autant d'éleveurs que d'éleveurs. Donc, on peut mettre en, activité, cette commission-là, qui peut se présenter sur les lieux, même si l'éleveur qui a fait le dégât est transhumant donc la commission peut prendre cette question en charge. Au lieu, par exemple, de prendre tout le troupeau, peut-être qu'on peut estimer, en fonction du dégât, et prendre un certain nombre de têtes, euh, en tout cas au prorata, en attendant euh, vraiment euh, l'appréhension au prorata. Donc, voyez, ça, c'est vraiment une mission que la commission paritaire peut gérer mais vraiment que des institutions illégales continuent à être logées là-haut. Ça, vous voyez, ça, euh, c'est-à-dire on a encore, on peine encore à appliquer la loi. Et ça, c'est une grande difficulté. Et revenons à vous, Monsieur Monkelehima, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que euh, viennent de dire Monsieur Cheibou Mama et Monsieur Moussa Maoudi C'est vrai, on a beaucoup de soucis. On le dit clairement, le transfert de responsabilité doit être toujours être accompagné de transfert de compétences. Malheureusement, quand vous prenez ces commissions, que ce soit du niveau village, peut-être euh, quand on arrive à la commune, on a euh, une expertise qui n'est pas assez poussée. Peut-être c'est au niveau département où on peut avoir beaucoup plus de fiabilité. Malheureusement, la majorité des conflits sont gérés d'abord au niveau de la base. Et c'est à ce niveau-là où on a beaucoup de difficultés de, d'expertise. Parce aujourd'hui le chef de village, en majorité, si ce n'est pas euh, euh, récemment, rares sont les chefs de village qui savent lire et écrire. Même maintenant, on a un taux très euh, infime de chefs de village lettrés qui peuvent vraiment faire leur travail comme c'est demandé au niveau de la commission foncière de base. C'est vrai, nous, au niveau de la région de Dosso, il y a eu vraiment beaucoup d'efforts en termes de renforcement des capacités de ces commissions foncières, mais jusqu'à présent, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, moi, je pense que on doit s'inscrire dans cette logique-là pour que tous ceux qui vont intervenir là aient une maîtrise parfaite de ce qu'ils doivent faire. Parce qu'aujourd'hui, le tâtonnement, ce qui est sûr, au lieu de solutionner, ça va aggraver le problème. Donc, euh, c'est pour cela, vraiment, ces commissions foncières, s'il y a possibilité qu'on puisse vraiment les renforcer pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. À votre avis, quelles sont les pistes de solution pour éviter les conflits entre les deux clans, entre agriculteurs et éleveurs Les pistes de solution, je crois que ça, c'est dès au début, on avait commencé par là. Ce qui est clair, il faut que tout le monde comprenne c'est quoi ma limite. Qu'est-ce que je suis autorisé à faire, qu'est-ce que je ne suis pas autorisé à faire. Ça aussi, vraiment, quand on est confronté avec, à une population analphabète, Aujourd'hui, même la traduction, c'est un problème. Pour que le message soit perçu, je pense qu'il faut parler le contexte linguistique même du destinataire. Malheureusement, nous les techniciens aujourd'hui, on parle la langue, mais on n'arrive pas à expliquer clairement pour que l'auditeur là puisse comprendre réellement ce qu'on veut dire. Parce que généralement, on fait des traductions littérales on a appris eh, les textes en français. Et maintenant, quand on vient, on veut traduire littéralement. Ça, c'est des difficultés qui limitent un peu les sensibilisations qui sont menées au niveau d'une population presque analphabète. Donc ça, peut-être il faut que aussi les techniciens eh, aient des capacités linguistiques. Donc il faut aussi les former pour que le message puisse passer. En dehors de ça, il faut que l'État aussi s'investisse clairement pour que les gens n'aient pas l'impression que la justice, là, c'est du côté du plus fort. Quand c'est du, du côté du plus fort, on ne va jamais finir avec des conflits. Voilà. Venons à vous, monsieur Cheikh Maman, est-ce que vous avez des pistes de solutions Selon vous, quelles sont ces pistes-là Il ne faut pas s'enlacer de faire cette sensibilisation parce que, quels que soient les textes, s'il n'y a pas la sensibilisation, s'il n'y a pas la vulgarisation des textes, on va toujours en demeurer. Donc, il est évident qu'il faut aller vers cette vulgarisation, mais aller vers la vulgarisation comment euh, C'est ce qu'il vient de, de, brosser. Il faudra cette euh, sensibilité linguistique. Donc, à part cette vulgarisation-là, il faudra aussi que euh, ce qu'on a dit comme système, que ce soit fermeture et ouverture, que ce système-là puisse fonctionner valablement. C'est quoi sa fonctionnalité Vous allez voir qu'il y a des disparités. Dans, dans, un même département, la saison de pluie peut ne pas euh, venir en même temps. Elle ne peut pas s'installer au même moment. Donc là, et on nous dit dans ce sens que c'est le gouverneur qui va prendre l'arrêté. Vous voyez, on quitte le village, on vient au, à la commune, au département, et il faut réunir beaucoup de départements pour avoir la région. Donc, voyez-vous, alors que on peut, dans une même région, euh, la, cette saison de pluie-là peut, euh, de l'Est comme de l'Ouest, n'est pas s'installer aux mêmes périodes. Donc là, c'est une difficulté et c'est là où il faut il faut redynamiser ce qui est existant. Donc, il faut la fonctionnalité. Heureusement, Dieu merci, ici dans le département de Dosso, le système, on a beaucoup de commissions foncières. C'est l'un des départements où beaucoup de commissions foncières de base euh, sont actifs. mais le COFOB, c'est là où il y a un taux mis en place très important au niveau du pays et on s'en félicite. Donc là, c'est vraiment de redynamiser tous ces cadres-là, de faire euh, des renforcements des capacités dans le but où le message doit passer. S'il faut vulgariser, s'il faut sensibiliser, il faudra avoir des gens qui puissent manier euh, véritablement euh, l'outil de communication qui est la langue. que les gens font entre eux pour réfléchir de tel ou tel aspect, pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi des sorties dont la commission foncière départementale fait sur le terrain à l'approche de, de l'hivernage pour aller voir est-ce qu'il y a obstruction ou pas des couloirs de passage, ou est-ce que quelqu'un a l'intention de défricher, ainsi de suite. Donc si avec ces sorties-là, on arrive déjà à voir les prémices d'une occupation futur Je vous repose la même question, Monsieur Moussa Maoudé. Selon vous, quelles sont les pistes de solution pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs C'est d'abord le respect, c'est-à-dire en tout cas qu'on avance vers le respect de ces dispositions-là. Le directeur l'a confirmé. Dosso, en tout cas, est euh, en termes de région et même de département, le, département le plus pourvu en termes de, tout cas de mise en place des structures de code rural. Et seulement euh, c'est que souvent, par euh, non-respect d'un certain nombre de principes, c'est souvent dans la gestion du conflit même, qui n'est de façon banale, <laughs> qu'on trouve souvent certains aspects, notamment quand des dispositions réglementaires ne sont pas respectées. C'est sur ça qu'il faut travailler beaucoup pour que tous les acteurs, euh, en tout cas, acceptent à aller dans le sens du respect de, de la loi. Quand on revient au niveau des autorités, c'est eux qui ont ce qu'on appelle le pouvoir de police rurale. Quand on dit qu'il y a une infraction quelque part, M. Euh, Monsieur l'a dit, la justice, c'est vraiment la justice, comme on dit, c'est l'équité. Donc, en tout cas, quand il y a une infraction, il faut que des mesures, en tout cas correctives, soient prises en ce sens pour que, en tout cas, ça, pour que ça serve d'école. Donc, euh, il y a vraiment ces questions de pouvoir de police rurale là. Il faut qu'elles soient exercées, en tout cas, si en tout cas la situation en tout cas en a fait appel je vais terminer en disant qu'au niveau de Dosso, en tout cas, euh, on est très avancé. Mais on va continuer, en tout cas, pour, euh, dans les sensibilisations, pour que les acteurs comprennent. Nous sommes aujourd'hui sur une thématique conflit agriculteur-éleveur. Il est indéniable, ces deux activités sont indissociables. en tout cas dans le département de Dosso et en général dans même dans la région. Donc, euh, en tout cas, l'État est arrivé. Aujourd'hui, Dosso dispose de ce qu'on appelle le chemin d'aménagement foncier en tout cas toutes les exploitations balisées. Et donc chaque acteur quand même aujourd'hui peut se targuer de dire qu'il y a quand même un patrimoine qui lui permet. donc c'est vraiment un outil, c'est un outil de référence pour dire que Dosso est avancé en tout cas dans, en tout cas dans la gestion partagée et des ressources. Et je vais finir en disant aussi, comme il l'a dit, cette question de sensibilisation, c'est pour accentuer, en tout cas pour renforcer le dialogue entre les acteurs. Tout à l'heure, le directeur l'a rappelé. Traditionnellement, il y avait des formules, ces questions de contrat de fumure entre les agriculteurs et les éleveurs. Ça permet quand même aux deux parties de se dire qu'on est complémentaires, que moi j'ai besoin de, de mon et, vice-versa. Donc moi je pense qu'il faut qu'on continue dans ces sensibilisations-là pour que ces acteurs-là reviennent en tout cas les dispositions de fermeture et de champs. C'est vraiment la loi est prise, mais souvent on voit à ce niveau qu'il y a des souffrances aussi. Parce que souvent, vous allez voir, c'est au sortir même de la salle de réunion que vous allez voir les animaux ont envahi euh, les, terrains. Donc ça signifie qu'il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire pour que, en tout cas, les, mesures endogènes qu'on a connues là, que les gens, en tout cas, euh, en tout cas privilégient ces approches-là. Monsieur Monkaila, vous avez un appel ou bien des recommandations à faire à l'endroit des autorités Aujourd'hui, compte tenu de l'importance de ces secteurs-là, l'État n'a pas d'autre vocation primordiale que de faire tout pour que l'ensemble de ces acteurs-là puissent œuvrer ensemble. C'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Hein. L'agriculture et l'élevage, c'est deux secteurs qui sont dépendants. À ce sens-là, moi je pense que tout l'effort de l'État devait être mobilisé pour que ces deux acteurs-là puissent rester dans la cohésion sociale parfaite pour pouvoir réussir leur activité. Monsieur Moussa Maoudé, est-ce que vous avez une recommandation ou bien des recommandations à faire à, l'endroit des, autorités Moi, je pense qu'il y a lieu de songer vraiment à renforcer les capacités des structures du Code rural qui ont la charge de la gestion de, ces conflits. Monsieur Cheibou Il n'y a pas d'extra éleveur ou extra agriculteur. S'il y a la réglementation et que tous, tant qu'on y est, on s'aligne, on n'aura pas de problème. Maintenant, à l'endroit de, l'État que nous sommes, c'est vraiment de continuer à appuyer ces processus-là. Si au niveau de la base, il n'y a pas l'expertise, on ne peut pas demander un travail. Donc s'il y a transfert de compétences, il faut tout transférer. Nous sommes à la fin de notre forum d'aujourd'hui, monsieur et madame. Et le forum d'aujourd'hui est porté sur euh, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et nous avons des invités comme euh, monsieur Moussa Modou, le représentant des éleveurs, monsieur Munkel Hima, le représentant des agriculteurs, et enfin monsieur Cheibou Mamman, le directeur départemental d'élevage euh, de Dosso. À la présentation, Uramtisa Wenki. Au revoir.